man politicien là, je suis un maire politique Il y a un grand programme de l'État mon candidat c'est le président Macky Sall amul de doute deuxième quinquennat je suis a def de constitution bi conseil constitution si pas déjà prononcé ci depuis 2016 nee na premier mandat de sept ans bi bokkul ci dispositions yi nga xam à travers la cause mais leer jugement décision de justice c'est disponible lan moo si nous avons conseil constitutionnel mooy décider décider d'un ba parler. donc la question ne se posera même pas parce que c'est un candidat comme tous les autres et c'est une demande sociale boo xam aussi ñun. Nous nek ci frontières yi ñun ñi Nous ci gox goxaan yu ndaw yi gis nous def limu def amul fenn en Afrique amul fenn sax en Europe avec tous les moyens qu'il a déployés ñu dem ba fi émergence bi muy appelé pour 2035 li gën pour Sénégal li gën pour ñëpp mooy que mu amaat beneen mandat jusqu'en 2029 Inch'Allah.